Euh, nous, toute la nuit, nous n'avons pas dormi parce que nous sommes envahis par des eaux qui nous viennent des différents chantiers qui sont en cours pratiquement dans la commune, à partir de Djahaï, jusqu'ici au niveau de la construction du pont, en passant par Mambior. Alors toutes ces eaux-là se déversent dans notre quartier dara duñ ko xalaat à l'avance Pensez que ça c'est normal di tabax autopont créer déviation ndox bi amul fu muy jaar ah, dëkk bi yëpp fat hmm. c'est que ça c'est normal li ah. nga xam ne mooy tali centrale bi bii mooy dem ci marché bi voilà ah. Pensez que ça c'est normal à tel point que euh, toutes nos rues sont pleines elles sont toutes pleines. Même euh, la mare qui joute sur les maisons et qui en principe devait faire évacuer l'eau, eh bien cette mare elle est pleine. Alors nous n'avons pas de solution, nous ne savons quoi faire. Et nous interpellons vraiment les autorités parce que trop c'est trop. Nos maisons sont remplies, nos rues sont pleines. Voilà, il n'y a pas de solution. Hein? l'axe central qui passe devant le pont, c'est indescriptible. Toute la nuit, c'est ce que nous avons vécu comme situation. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous interpellons les autorités municipales, étatiques, pour qu'une solution vraiment rapide soit trouvée pour le, le problème que nous vivons en ce moment. Toutes les eaux se déversent dans le quartier. Donc, euh, je suis Monsieur Léopold Baboukar Senghor, je suis délégué des quartiers de Aïnoumadi en Kermassar. Je suis accompagné de beaucoup de jeunes qui toute la nuit ont fait des va-et-vient, mais c'était juste pour constater les dégâts. Zako, Ndion, ensuite Jean-Pape Faye, et bien d'autres, toute la nuit se sont mobilisés. Voilà, en tout cas, nous sommes dans le désarroi le plus total. Donc, comme vous pouvez le constater, l'eau est là, hein. l'eau qui ruisselle, venant des travaux, de Djahaï, hein, de l'autopont, de Mamdjor. Alors, c'est tout qui a complètement inondé la cité des enseignants, complètement inondé Alors, un appel solennel est lancé à toutes les bonnes autorités, en particulier le président de la République, M. Macky Venez sauver, s'il vous plaît, Aïnoumadi 1, la cité des enseignants qui vraiment patauge dans les eaux. Nous sommes dans un désarroi total, alors qu'il vous plaise de venir sauver toute une population. Monsieur le Président de la République, on l'a interpellé. Ah, c'est les enseignants Kermassar. La population, pas une curé actuellement. Voilà, maman, nous sommes des enseignants. Autopombe.

donc kenn xamul euh, si résidence bi ñaanal lay ñëw te lii yëpp nag construction autopont bi moo koy indi. Mhm. mënuñu comprendre ni construire autopont. am mhm. déviation bu ñu def defuñu benn moyen boo xam ne dinañu prévoir au moins ndox mi fan lay jaar amul. Mhm. donc ndox ñëpp di jógee ci si seen liggéey sax waa autopont bi dañuy pompe ndox bi di ñëw ci tali bi tey taw bi ñëw gis nañu tali bi nga xam ne mooy route nationale bi.